Hello les amis, soyez les bienvenus encore euh, à notre sondé des Écritures. Vraiment, c'est un moment opportun que le Seigneur veut nous utiliser pour pouvoir étudier la parole de Dieu. Nous sommes aujourd'hui maintenant sur les sondés et nous sommes sur les sondés des Écritures sur le livre de Marc Matthieu. Nous prions que par la grâce de Dieu à la fin, que dans cette étude, le Seigneur va nous instruire, nous conduire et nous, conduire à travers sa parole nom de Jésus. Prions. Père, nous te remercions parce que tu es Dieu. Tu es aucun personne n'est comme toi. Tu es le seul Dieu. C'est nous prions que dans cette étude, Seigneur, que ton, ton, ton, ton entrée triomphale, Seigneur, que ce, nous prions que ta, ton humilité, ta puissance, ton autorité, Seigneur, nous soit donné au nom de Jésus. Seigneur, enseigne, Seigneur, ouvre nos entendements, la compréhension de nos cœurs et aide-nous à voir, Seigneur, la splendide, puissante, la splendide merveille de ta gloire au nom de Jésus. Seigneur, conduis-nous à la fin, que la gloire et l'honneur te sera rendu au nom de Jésus. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Une fois encore, nous vous disons, soyez les bienvenus à notre euh, étude d'aujourd'hui. Alors, nous regarderons notre étude dans notre, c'est-à-dire, nous allons considérer notre étude dans le livre de Matthieu, de Matthieu, euh, chapitre 21. vais donc voir Matthieu 21 au parti du verset 1. Au parti du verset Matthieu, chapitre 1, chapitre 21, à partir du verset 1. Mais avant que nous y allons, dans notre test, nous allons considérer notre, verset à mémoriser dans le livre de Matthieu 21. Matthieu 21, le verset 9. Matthieu 21, le verset 9. Matthieu 21, à verset 9, c'est le verset mémorisé qui dit Ceux qui précédaient à ceux qui savaient, à ceux qui suivaient Jésus christ Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. C'est le verset à mémoriser. Matthieu 21, à partir du verset 9. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. Nous allons considérer notre test dans le livre de Matthieu chapitre 21 à partir du verset 1. C'est l'autre Matthieu chapitre 21 à partir du verset 1. À partir du verset 1. Il dit, lorsqu'ils s'approchaient de Jérusalem et furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoyait des disciples, deux disciples, et leur disant, allez au village qui est de devant vous et vous trouverez aussitôt, très, aussitôt une ânesse attachez une et un anneau avec elle. Détachez-les et amenez-les moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laisse aller. Or, ceci arriva enfin de s'accomplir ce qui avait été annoncé par les prophètes, disant euh, Dites, à la fille de Zion, de Sion, voici ton roi vient à toi, plein de douleur, plein de douceur monté sur un, un sur un anon le petit d'une Ici, on voit ici, on voit ici, c'est la première vue publique de Jésus-Christ. Et cet événement était tellement signifiant, signifiant que euh, il voulait montrer. Et vraiment, c'était important. Ce qui a montré, a voulu faire que pour que l'un sache que quand on a dans Marc chapitre 2, on a vu ça même dans... Euh, on peut lire de cette même histoire, cette même histoire de Marc chapitre 11 à partir du verset 1 jusqu'au 33. On peut même lire aussi la même histoire dans Luc chapitre 19 à partir du 28 jusqu'au verset 48. Et même Marc, euh, Luc chapitre 20. Marc, euh, Luc chapitre 20, 21 à 8. Et même dans Jean, Jean aussi, on peut voir la même chose. On voit, on voit aussi la même chose. L'entrée triomphante de Jésus-Christ à l'entrée de Jérusalem montre vraiment que je montre sa, sa dignité, sa, sa dominion, sa puissance, son autorité qui a été vraiment donnée à ce, à ce moment. Et on voit qu'il y a tant de choses que nous, nous vraiment, on ne se sent pas. Parce qu'il y a des grandes choses qu'on doit savoir. Même si on regarde, regardez quelque chose dans Zacharie chapitre 9. Dans Zacharie chapitre 9, à partir du verset 9, on voit de telles mêmes euh, comparaisons. Dans Zacharie chapitre 9, nous sommes dans Zacharie chapitre 9, nous sommes à partir du verset 9. Zacharie 9, verset 9. Il dit 9, verset 9. Il dit Sois transporté d'allégresse, fils de Sion, pousse des cris de joie. Fille de Jérusalem, voici ton roi vient à toi, et il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur une âne, sur, une, sur un âne, le petit d'une ânesse. Vous voyez ceci Ça montre vraiment l'humilité et ça montre vraiment la royauté, l'autorité et l'honneur que Christ a montré à Christ Dieu et cela a montré ce qu'il est, Christ lui-même. Qu'est-ce qu'il est Lui, il est le juste. Il a le salut. Et il a le salut. C'est lui qui est le salut. C'est lui qui a le salut. le salut des âmes, de Hillsman. Ici, dans le. Cela dans le, plan théologique, on voit quoi On voit l'entrée triomphée, l'entrée triomphale et la purification du temple. L'entrée triomphale et la purification du temple. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui comme étude. Nous allons voir trois études, trois points dans cette, euh, sous cette étude. Premièrement, on va voir que on parle de quoi point numéro 1, la propriété, la propriété divine exercée par Jésus. Et point numéro 2, on verra quoi On verra l'autorité démontrée par Christ défiée par les juifs religieux. L'autorité démontrée par Christ défiée par les juifs religieux. Et troisièmement, on verra quoi Troisièmement, on verra le temple profané, le temple profane purifié par Jésus. Le temple profane purifié par Jésus. Revenons dans le point numéro 1 qui est la propriété, la propriété, la propriété, la propriété divine exercée par Jésus. Retournons dans Matthieu chapitre 21. Dans Matthieu chapitre 21, Matthieu 21, à partir du verset 1 et 2. Il dit, lorsqu'ils approchaient de Jérusalem et ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya deux disciples et en leur disant, allez au village qui est, ouais, ici, quand ils sont, ils de Jérusalem, et si on dit qu'ils s'approchaient de Jérusalem, vous voyez, dans le chapitre précédent, on voit qu'il parlait de son amour, de, son, de sa mort, dans, dans, Matthieu, dans, Matthieu, dans Matthieu chapitre, regardez ce qu'il a dit dans Matthieu euh, précédemment, dans Matthieu 20, Matthieu 20 à partir du verset 18 et 19, il a parlé de sa mort là-bas et sa souffrance. Et Matthieu chapitre 20, nous à partir du verset 18 et 19, Nous allons voir quelque chose. Voici, voici, nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Et E, e, e. et et aux et principaux sacrificateurs et aux scribes et ils le commanderont à mort ils condamneront à mort et ils le livreront aux païens pour qu'ils se moquent de lui ils vont ils le battent de verge et le crucifient et le troisième jour il ressuscitera il ressuscitera voici cela il a dit ceci-là à ses disciples. Il a dit ceci-là plusieurs fois, maintes fois, à ses disciples. Et à ce point-ci, dans le verset 1 ici, lorsqu'il, verset 21, chapitre 21, verset 1, il dit, lorsqu'il s'approchait de Jérusalem, voici maintenant, il s'approchait. Il a envoyé deux disciples d'aller l'amener une ânesse. Et, et dans le verset 2, il dit, en leur disant, allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussi une ânesse attachée et un nanon avec elle. Attachez-les et amenez-les Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissera, il, et il les laissera aller. Il dit, vas-y, allez, allez, allez-y dans le village près de vous, quand Jésus-Christ a utilisé le mot aller, quand il dit aller, voyez, c'est un mot de commandement, c'est un mot d'ordonnance, c'est un mot de, puissance, c'est un mot de, de confirmation. Allez-y. Mais il a dit à ses disciples, allez-y dans tout le monde entier allez-y, allez dans tout le monde. Regardez-vous, venez vous il a dit, c'était un commandement. Il dit, allez dans le monde entier. Je suis auprès de vous. Je suis auprès de vous jusqu'à l'extrémité de la terre. Quand je suis avec vous, quand je suis avec vous, il a dit au centuriers vas-y, vas-y. Il a dit à cette femme, mais je ne te, je ne te condamne pas, moi aussi je ne te condamne pas. Vas-y et ne pêche plus encore. C'est une, c'est un mot de confirmation, c'est un mot de dire que des ossements. Il a dit à ce temps, vas-y, car ton serviteur est vivant. Il vit, va, car ta, fille est vivante, est guérie. Il a, commandé, il dit, vas-y. Le Seigneur a dit aussi, il te dit, vas-y. La grande commission, il dit, vas-y, allez-y, vas-y dans le monde entier, allez dans le monde entier fraîcher la parole de Dieu. Allez-y et faire de me de peuple Il dit, est-ce que je ne t'ai pas commandé Vas-y, est-ce que tu as peur Qu'est-ce que tu as tu as, peur de quoi tu as peur de, quoi Vas-y, toi, vas-y. voyez? Le Seigneur a peur de toi. Est-ce que il dit, il a, je, souvenez-vous que Jésus, euh, Judas, euh, Judas était, euh, Judas était quoi et, je il était un le trésorier. Mais il est, vous souvenez-vous, qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que, parce qu'il est le trésorier de la de, de, finances de l'Église avec Jésus-Christ, il va se poser la question à Jésus, est-ce que tu as payé Est-ce que tu m'as dit le payer Non. il ne fait que dire, allez-y, c'est un commandement. C'est un commandement. Il a, Jésus-Christ nous a commandé d'aller prêcher la parole de Dieu. Qu'est-ce que tu en as peur Tu en as peur de quoi Vas-y. Est-ce que je ne t'ai pas commandé Voici ce que Christ a dit. Il a dit à jésus est-ce n'ai-je pas moi Il dit, il a dit à Josué, vas-y, vas-y en avant et conquis la terre que je t'ai promis. Est-ce que c'est pas moi qui l'a dit Est-ce que c'est pas moi qui l'a prophétisé C'est pas moi qui a dit, vas-y, n'aie pas peur, va et prêche la parole de Dieu. C'est ça qui est la chose importante. Jésus-Christ, Absalom a dit à ses, servants, quand il a organisé une fête à ses enfants, il a commandé à ses servants et dit, quand je vous dis, quand je, je, vais, crier deux fois, il faut, il faut frapper l'arc. Voyez, est-ce que je ne vous pas commandé Ayez la force, ayez la force et faites-le. C'est mon commandement. Je vous dis, Christ, Dieu vous dit la même chose. Il vous pose la même question. N'ai-je pas vous commandé N'ai-je pas moi qui vous a commandé d'aller, d'aller, d'aller Regardez qu'il a dans le verset 3. Dans le verset 3, il a dit si quelqu'un vous dit quelque chose, répondez le Seigneur en a besoin et en l'instant, il le laissera aller. Il laissera aller. Et si quand vous allez voir une ânesse et un anon attachés, attachés, attachés, les pécheurs sont attachés. Ils sont captifs, ils sont esclaves. Le, diable les a attachés, les a liés, les a liés, les a liés, les a attachés à une roue, avec une corde. Mais regardez, la Bible dit quoi Celui qui appelle le nom de Jésus sera sauvé. Il dit, vas-y, vous les voir, ils seront attachés et les délivrer de leur péchés. Comment, comment un mondain, comment un pécheur peut venir à Christ, à la lumière, trouver la voie qui, amène vers le ciel, vers la délivrance, sans que vous y allez et le faire le, détacher. Ils sont attachés à l'addiction du péché. Ils sont attachés, ils sont liés à l'immoralité, à l'immoralité, au péché, au, vin, au, au, breuvage. Ils sont alliés au péché, à l'idolâtrie, à l'ivrognerie, à la l'adultère, au mensonge, au vol. Ils sont liés à ces sujets là Allez-y, les détacher. Allez-y, prêchez la parole de Dieu. Vas-y, faites les sortir. C'est seulement Christ qui peut les sauver. C'est lui seulement qui peut les faire sortir de leur péché. C'est seulement lui qui peut les faire sortir de leur malheur. Et si ils sont partis, ils ont amené quoi Une ânesse. Ils ont amené l'ânesse qu'ils ont amené au pays. Regardez, il a dit quelque chose dans le verset 3. Il a dit, si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin et en l'instant, il les laissera aller. Le Seigneur donne, il a besoin, il a donné commande, il a besoin que nous allons. Regardez, il y a les pécheurs à votre alentour, dans votre communauté, dans votre village, dans votre lieu, dans votre demeure, vous-même, n'importe où. Ça peut être que toi-même qui m'écoutes, le Seigneur t'appelle et dit, j'ai besoin de toi pour que tu œuvres pour moi, pour que tu travailles pour moi. Je viens, sors de ce monde, sors de cette terre, sors de ce, cette communauté, sors du milieu d'eux, sors de cette, de, de cette de péché et viens pour que je puisse t'utiliser, pour que tu me serves, pour que tu travailles pour moi, pour que tu délivres les pécheurs de leurs péchés. Viens, vas-y et prêche la parole de Dieu. Le Seigneur dit, viens, je t'ai sauvé pour que tu travailles. Viens, va et pars de l'air par de ma résurrection, de ma puissance. C'est ce que j'ai fait à la croix, que je, suis mort la croix pour les sauver, pour qu'eux-mêmes ne meurent plus encore. Je suis mort pour qu'ils ne meurent plus encore. Vas-y, toi jeune homme là-bas, le Seigneur a besoin de toi. Toi jeune homme, toi jeune fille, le Seigneur a besoin de toi. Mon frère et soeur, le Seigneur a béni toi. Il, veut que tu viennes et tu le serves. Toi, ma soeur, toi, la femme, toi, ma soeur femme, toi, mon frère homme, le Seigneur a besoin que tu viennes. Tu dis, ah, tu peux venir, tu vas dire Seigneur, je me donne à toi, je me donne au Seigneur, moi ma femme, moi, euh, moi et ma femme, moi et mon mari, moi et nous, je, nos enfants, nous nous donnons au Seigneur pour servir, œuvrer pour la gloire de l'Éternel. Regardez ce que le Seigneur a dit, regardez ce que la Bible nous dit dans premier, euh, premier, euh, euh, premier roi premier roi, regardons dans premier roi C'est que le Seigneur a dit là-bas, dans premier roi chapitre, plutôt, euh, premier roi, oui, premier roi chapitre 20, premier roi chapitre 20, premier roi chapitre 20. 1er roi chapitre 20. Et voilà ce que le Seigneur nous dit comme illustration ou exactement pour confirmer quelle est sa volonté, qu'est-ce qu'il veut que nous fassions selon sa parole. 1er roi chapitre 20. 1er roi chapitre 20, à partir verset 4. Il dit quelque chose là-bas. 1er roi chapitre 20, verset 4. Il dit quoi Le roi d'Israël répondit Roi, roi, mon Seigneur. Comme tu le dis, je suis à toi avec tout ce qui j'ai. Je suis pour toi, je suis pour toi, je suis pour toi, je t'appartiens. Et tout ce qui, tout ce que j'ai, tout ce que j'ai, tout ce que j'ai, il dit, vas il dit, je suis pour toi, mon cœur, mon âme, mon esprit, tout. Souvenez-vous que quoi, notre, nous étant chrétiens, enfants de Dieu, nous n'avons pas notre... On ne, s'appartient pas soi-même. Nous n'appartenons appartenons maintenant à Christ. Quand on est dans le monde, on s'appartient au Satan parce qu'il nous utilisait. Mais Christ nous a rachetés par rédemption. Christ nous a rachetés par son sang divin. Quand il est parti à, à la croix, est mouru, est mouru à cause de nous. Il dit, c'est accompli. Il a, il regardez ce que le ce roi a dit. Il a dit, je suis à toi. Je suis à toi avec tout ce que j'en ai. Je prie que le Seigneur va nous aider que nous n'allons pas vraiment maintenir et retenir ce qui est à Christ à nous-mêmes et nous serons tous nos substances, tous nos nos propriétés, tout notre temps, tout notre ce que nous avons, notre temps, notre titre, notre titre, notre propriété, tout ce que nous avons, nous sera à, à Dieu. On va le donner à Dieu. Je prie que notre confession soit une réalité au nom de Jésus. Revenons au point numéro 2, au point numéro 2, numéro 2, qui est quoi Au point numéro 2, qui est l'autorité démontrée, démontée par Christ, défiée par les chiffres religieux. L'autorité démontée par Christ, défiée par les chiffres religieux. Revenons dans Matthieu, Matthieu chapitre 20, chapitre 21. Revenons, pour avoir le compte. Revenons Marc, Marc 11 plutôt, Marc 11. On va lire d'abord Marc 11. On a déjà lu Marc 20, euh, Matthieu, 21. Alors on va voir Marc chapitre 11. Matthieu verset 13 au 14. Il dit, suivant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouvait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles. Et car ce n'est pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il dit, il lui dit, au figuier, que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Et ses disciples l'entendirent. Voyez, le test ici en train d'attester eh, la démonstration de l'autorité de Christ, sa puissance surnaturelle et la guérison des, des aveugles, des paralytiques, que Christ a fait. Jésus-Christ les a guéris quand il est arrivé au temple. Il a guéri les aveugles. Il a guéri même les, les, les, les paralytiques. Et, et ces personnes-là se sont levées et marché, marché. Et ils ont marché. Revenons dans Matthieu chapitre 21. Revenons dans Matthieu chapitre 21. Matthieu chapitre 21, nous allons partir verset 14. Il dit, des aveugles et des boiteux s'approchaient de lui dans le temple. Vous voyez et il est guéri. Vous la Bible dit quoi Christ a vu dans Matthieu 11, Christ a vu quoi Le fichier de loin. Quel a vu le sujet de loin, vous quelque chose. Et il fait, regardez ce qu'il a fait. Dans Matthieu, regardez c'est un peu, retournez un peu dans Matthieu 11, Marc chapitre 11. Dans Marc, chapitre 11, dans Marc chapitre 11, on voit qu'est-ce qu'il a dit. Il a dit, il a dit quoi Dans Marc 11, euh, verset 13. Il dit, Après apercevant de l'un figuier qui avait des feuilles, il allait voir s'il trouvait quelque chose. Il trouvait quelque chose. Et s'en était approché et il trouva quelques, euh, euh, il trouva des feuilles, car ce n'est pas la saison des feuilles. Il savait, il savait que le, il savait que le figuier, ils ont trois saisons et deux, deux, saisons. Et, il, et et la saison où il doit, il doit produire des fruits. Et, et, et euh, quand la première fille, il y a des temps où ils ont trois saisons. La première, c'est la première saison, alors qu'ils viendront, quand les, les, va venir, il n'y aura rien. C'est-à-dire que c'est le moment où il y a la sécheresse, le moment de saison, la saison où les fusils ne vont pas reproduire. Mais quand la deuxième, la, deuxième saison viendra, cette saison, ils vont produire certains fruits des ils vont produire certains figues Mais ces figuiers seront tellement acidiques qu'ils ne peuvent pas quoi manger. Mais c'est à la troisième, à la troisième saison que on peut avoir, vont produire des fruits qu'on peut manger. Et c'est ça qui peut les aider à pouvoir comment manger. Alors, qu'est-ce qui ici Jésus savait cela. Il savait que c'était qui sait. Il savait ça. Jésus savait, et savait que ce n'était pas le moment de, de la figée. Euh, mais lui venait, venait, il venait pour la, il venait pour, il venait pour euh, trouver la je, dirais, quel mot je vais utiliser Le, fruit prémisse. Ah, le fruit prémisse, parce que je vous ai dit que ce fruit prémisse là, c'est lui, c'est ce fruit là qui sera amer acidique. C'est ça. Après cette que le, les, les, fruits normaux, les fruits euh, normaux vont commencer à venir. Alors il venait pour ce type de fruits pour pouvoir se soutenir, pour pouvoir euh, trouver quelque chose à manger parce qu'il avait faim. Mais qu'elle il n'y avait rien. Et c'est la même chose que plus nous, nous voit. Le Dieu, il nous a donné toutes les ressources. Il nous a donné la puissance. Et il nous a dit d'aller et travailler. Il y a un moment, il y a un jour où le Seigneur viendra. Et quand le Seigneur viendra, il y a un temps, un jour où le Seigneur Jésus-Christ viendra. Notre Seigneur, notre Sauveur viendra pour encore une fois, faire quoi Réviser. Et va nous poser de donner des fruits. De donner les fruits de ce que nous avons fait. Et ceux qui n'auront pas les fruits, ils seront détruits, seront, ils, seront, coupés et jetés au feu. Et Jésus-Christ a dit quoi Que personne ne mangera plus encore le fruit de ce figuier, du figuier nous prions parce que ils ont refusé de produire des fruits. Ouais, les gens qui ne veulent pas accepter Christ, ils veulent faire leur propre volonté, non pas la volonté de Christ. Et tout sera détruit et jeté au feu. Vous voyez Pour toujours seront brûlés. Je prie que cela ne soit pas ta portion. Hein. Je prie que le Seigneur, cela ne soit pas ta portion. Que sur le point que Christ nous a appelé. Christ nous a donné le fruit de l'esprit. Il nous a donné l'esprit qui va nous aider à produire des fruits. Faites comme Christ nous a demandé à faire. Je prie que Christ sera joyeux de, notre travail, de, nos travaux. Alors soyez content parce que nous avons produit des fruits. Regardons le verset 20 de Matthieu 21. Les disciples qui virent cela furent étonnés et dirent, comment ce figé est-il devenu sec en un instant Jésus leur répondit, je vous le dirai en vérité, si vous avez de la foi et que vous ne doutez point, non seulement vous feriez de ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Cela se ferait. Euh, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Vous le, croyez que vous le recevrez. Vous le recevrez. Vous le recevrez. Vous le recevrez. Il dit dans le verset... Euh, euh, il dit, il dit, il dit, ayez la foi, ayez la foi, ayez la foi. il faut croire au Seigneur. Croyez. maintenant au Seigneur et dit, Seigneur, je me tiens sur ta parole, je me tiens sur tes promesse. Croyez à Jésus, croyez, pressez sur sa parole, demeurez sa parole, tenez ferme sa parole. Et vous dites, Seigneur, vous m'avez donné votre promesse. Et vous allez dire au Seigneur, vous m'avez donné votre promesse. Vous m'avez donné votre parole. Je crois à cela et je me tiens sur cette parole. Je crois je respecte ta parole. Je crois à ta parole. Je veux faire ce que tu veux que je fasse. Ouais, le Seigneur a dit quelque chose. Il dit, tiens, je me tiens sur ta parole et je ferai ce que tu veux que je fasse. Voyez. il dit, je tiendrai ta parole. Il dit, il, a dit, il a dit, si vous dites quelque chose à cette montagne, soit cette montagne, soit tout est, soit tout Vous voyez ce qu'il a dit, non dit, je euh, vous le dis en vérité, si vous avez de la foi et que vous doutez point, non seulement vous verrez ce qui a été fait, se figer dans votre ministère sera fait, dans votre mariage, dans votre profession, dans votre éducation, dans votre dans votre corps, même quand vous êtes malade, vous allez donner, dénoncer cette maladie et cette maladie va fuir de votre corps au nom de Jésus parce que vous avez foi. Je prie que quand vous allez prier, que le Seigneur vous reçoit, le Seigneur vous écoute, vous exauce au nom de Jésus. Et dans le verset 24, dans le verset 24, regardons dans le verset 24, verset 24, lisez 23 et 24. 23, avec il Jésus se rendit dans le temple et pendant qu'il enseignait, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple vinrent et lui dirent, par quelle autorité fais-tu ces choses Ici, ils ont été surpris de voir, ils ont été surpris de voir, parce qu'ils ont vu quoi Les enfants de Dieu, les enfants, qui, les gens qui l'écoutaient, ont leur, leur rencontré Christ. Ils ont reconnu Christ comme sauveur, comme un roi, celui qui a l'autorité. Et, vous voyez, la même chose. Les gens, certaines personnes de notre temps contemporain, de notre temps modèle considèrent Christ comme quelqu'un qui est un prophète. Vraiment. Et ces personnes croient que Jésus-Christ c'est un prophète, c'est un homme, c'est quoi C'est un qui fait des prodiges. Mais ils ne comprennent pas que Christ est le Sauveur, le Dieu envoyé pour nous. Et à cause de cela, ils n'arrivent pas à croire au Seigneur et voir quoi le salut. Ils oublient que Christ est le Sauveur du monde. Je prie que le Seigneur ouvre leurs yeux, ouvre leur entendement, qu'ils voient Christ, non seulement comme les prophètes, mais leur roi et sauveur, qui est venu que mourir pour, à, à cause de pour le, pour le sauver. Regardez, Christ a dit, je suis la voix, la vérité. Je suis la vérité et la voix. Je suis la lumière. Je suis la vérité. Personne ne va au Père qu'à passer par moi. Vous voyez La vérité que nous cherchons, c'est la parole de Dieu. La vérité que nous cherchons, c'est en Christ. Et Christ a dit, je suis la lumière. Je suis cette lumière qui va vous illuminer hors du péché, hors de la lumière, la sombreté. Vous voyez le don, le don le don de Dieu, c'est nous donner la vie éternelle en Christ. Et je prie que cette vie que nous avons trouvée en Christ, cette vie que nous avons trouvée, cette lumière, cette vérité que nous avons trouvée en Christ, nous allons le maintenir. Nous allons le maintenir jusqu'à la fin pour que quand Christ viendra, nous allons aller avec lui dans le royaume des cieux. Mon frère, je prie que le Seigneur te donne plus de, de victoires. Je prie que mon frère là-bas qui le Seigneur te donne plus de, grâce plus de victoire sur les péchés. Ma soeur là-bas, plus de victoire et plus de grâce. Mes frères et soeurs, mes enfants et toutes ces personnes qui m'écoutent, je prie que le Seigneur te donne la victoire, la grâce, l'autorité de, pouvoir euh, euh, euh, marcher sur la puissance du diable qui peut vouloir te branler et de peut te, te t'affaiblir que ce te donne la victoire toutes ces choses au nom de Jésus. Et plus de fois, plus de fois, pour ôter toutes les montagnes de ta vie au nom de Jésus. Rapidement, allons dans le point numéro 2. Point numéro, euh, point numéro 3, s'il vous plaît. Point numéro 3, qui est quoi Qui est le temple profane purifié par Jésus. Regardez dans Matthieu chapitre 21. Matthieu chapitre 21. Matthieu 21 verset 12. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui attachaient dans le temple. Et il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs des pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous, vous en faites une caverne de voleurs. Vous voyez Ils ont commencé à tuer dans quand bien même il y a quoi l'omission de la, la prédiction de la destruction de Jérusalem dans Luc chapitre 19 à partir du verset 41 jusqu'au 44, ici il, a, il continue à donner l'information, il donne la, il nous donne l'espoir de pouvoir se, sou, se, soumettre à la croix, à l'autorité de Christ. C'est la raison pour laquelle Christ Aller au temple. Regardons dans Luc chapitre euh, ce que Luc a dit. Luc chapitre 19, une partie verset 45. Luc 19, verset 45. Et dit quoi Et il allait dans le temple et se mit à chasser ceux qui vendaient. Leur, et ceux qui vendaient et, et même ceux qui achetaient. Et les disant, il est écrit, ma maison sera une maison de prière. Ici, ma maison sera une maison de prière. Vous l'avez fait quoi Maison de prière. Mais vous, vous avez fait une caravane de voleurs. voyez Même ceux qui les vendaient étaient sur le, Ils les vendaient, ils les vendaient pour avoir plus d'argent. Ce n'était pas pour les aider, pour aider ceux qui veulent faire les sacrifices. Ils voulaient voir l'argent. Vous voyez Et même de le, toute l'église et tout le, le, temple était devenu comme une marchandise, un marché. C'est comme ça. Et c'est la même chose qui c'est aujourd'hui. C'est la même, chose, mêmes les mêmes pratiques, les mêmes pratiques hein. aujourd'hui. Les gens, les gens même fondent des églises et quand ils fondent ces églises, qu'est-ce qu'ils font Ils fondent ces églises pour pouvoir voir des importances mondaines. Pour, et ils amènent beaucoup d'événements, beaucoup de festivités pour pouvoir faire quoi De pouvoir avoir d'argent. Il peut, ah, il, il, peut il peut les appeler ce sont des bazars, il peut les appeler des, il, peut il, peut même appeler ça quoi le, le, le, jour de remerciement, le, jour de remerciement à Dieu, euh, le, don de Dieu, euh, les dons de Dieu, le, jour de reconnaissance à Dieu, et donc des, des noms, des noms à ces activités ou à ces événements ou bien il, même, il, même, il peut même écrire certains livres et ces livres sont des faux livres. Il peut même, il, peut amener, il peut amener même des, des, engins à l'église, du n'importe quoi, pour pouvoir vendre à l'église. Dans l'église, hein, je prie que le Seigneur nous délivre, nous délivre. Ces pratiques qui sont, sont en train de faire vraiment euh, remplace et change la spiritualité à l'église. Et ils ne font que de faire n'importe quoi. Et, et, ça, et, et ça, ça, ça, ça, substitue et change la spiritualité, l'argent pour lequel ils doivent adorer Dieu. Et Dieu vraiment n'est pas content de cela. Dieu est tellement mécontent de cette pratique. Je prie que le Saint nous aide, que tout ce qui vraiment déplaît à Dieu, soit ôté hors de nous au nom de Jésus. De tout ce qui est, ce qui ne plaît pas à Dieu, soit ôté de nous. Si le temple a été vraiment purifié par Christ. Le temple a pu purifier par Christ. Il a purifié cela. Ces échangeurs d'argent, il, les a, il, a, il a purifié l'Église. Mais vous savez ce qui s'est passé Toi aussi, tu es une temple que le Seigneur, un temple que le Seigneur a acheté par le sang de Jésus. Et le sang de Jésus t'a acheté. Jésus-Christ t'a acheté la croix. Et il te, il purifie par son sang. Et ton corps est habité par le Saint-Esprit. Alors, il faut, être, il faut être conscient de ce que tu utilises le temple de Dieu pour faire. Ton corps, ce que tu fais avec ce corps faut pas utiliser ton corps qui est le temple de Dieu pour la mondanité, pour trouver ce que tu fais pour toi-même. Ça peut être même dans ton travail, dans ton œuvre, dans ta profession, dans tout ce que tu fais là. Il faut te méfier de ne pas utiliser ton corps, qui est le temple de Dieu, à faire des choses qui déshonorent Dieu. Parce que son corps là, ton corps, ton temple, c'est là où réside le Saint-Esprit, Dieu, l'Esprit de Dieu pose ta, il faut poser cette question. Je te pose cette question. Il faut méditer. Il faut méditer ceci-là. Ask-toi, qu'est-ce que tu fais avec ton corps Que fais-tu avec ton corps de, qui est en de suer ton corps, qui est en de suer ton corps, qui rend ton corps su, su, profiné, qui, qui rend ton corps profond, qui rend ton corps sué, et que le Seigneur est tellement mécontent de ta, dans ta maison, à l'école, aller au marché, à la profession, au bureau, qu'est-ce que tu utilises ton corps à faire qui déplaire au Seigneur Souviens-toi que ton corps est le temple de Dieu. Alors, c'est mieux de savoir cela et de mettre ces choses hors et d'abandonner. Mais quand tu viens au Seigneur et tu reconnais connais ces choses et tu pries, le Seigneur va te pardonner. Il va te purifier le sang de Jésus. Je prie, frères et sœurs, regardez ce qu'il a dit dans Matthieu, dans 1er, 2 Corinthiens. Il a dit la même chose. Le Seigneur, quand vous venez au Seigneur, il va vous sanctifier. Il va vous purifier. Et tu rendra libre. Dans 2 Corinthiens chapitre 7. 2 Corinthiens chapitre 7. 2 Corinthiens chapitre 7. À partir du verset 1 et dit, un donc de telles promesses, bien aimé, purifiant nous de toute sueur, de la chair et de l'esprit, et en achevant notre sanctification dans la quantité de Dieu, nous devons être obéissants, consacrés et de mener une vie sainte, une vie sainte, une vie purifiée qui va glorifier Dieu dans notre corps, dans notre esprit. qui va nous aider. Je prie que le Seigneur va nous aider au nom de Jésus. Pourquoi ne pas maintenant aller devant le Seigneur et dire Seigneur, oh mon Seigneur, mon cœur, mon corps, mon esprit, cela appartient au Seigneur. Seigneur, regarde, sonde-moi, sonde-moi, sonde-moi, sonde-moi. C'est la raison pour laquelle nous étudions les sondes des Écritures. Nous sondons les Écritures et regarde. Dis Seigneur, Seigneur, Seigneur, regarde-moi. C'est pourquoi, il a dit, souvenez-vous, il a dit, il a dit, je suis dans 2 Corinthiens chapitre 7, le verset 1. Ayant donc de ta promesse, bien-aimée, tu nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Oui, le Seigneur veut que tu sanctifies, tu te purifies, tu te laves, tu, tu Tu seras ce qu'un service pour que ton service soit rendable à Christ. Prie que le Seigneur te sauve, te lave, te purifie de toute sûre, de toute sûre, de tout péché, de tout ce qui te rend profane que le Seigneur n'aime pas. Prie que le Seigneur t'aide et qu'il te ramène vers lui au nom de Jésus. Prions. Père, nous te remercions. Nous te remercions pour cette grande parole. Seigneur, nous te remercions pour, Seigneur, l'entrée triomphale et la purification du temple. Oh merci Seigneur. Seigneur, ils ont, ils ont construit cette, ce temple plusieurs années. Seigneur, qu'à travers cette parole, tu es venu pour sanctifier cela. Seigneur, oh, en, cette, ce temps moderne, en notre temps contemporain, Seigneur, nous prions que tu nous sondes, Sonde nous Seigneur et vois tout péché, tout ce qui est mauvais dans nos cœurs, dans ton corps, dans ton esprit. Seigneur, sanctifie-nous, purge-nous, sanctifie-nous, purge-nous, rends-nous au nom de Jésus. Seigneur, tout péché, tout ce qui est normal, tout ce qui n'est pas normal, tout ce qui n'est pas acceptable devant toi. Seigneur, ôte cela de nous, ôte cela de nous. Seigneur, laisse permet que ton sang qui jaillit de la croix jaillit sur nous, coule sur nous et nous lave, nous débarrasse de toutes sortes de suieux, de toutes sortes de péchés et nous rend purs, qu'il rend pur, pur comme plus de la neige, pour que nous puissions être, Seigneur, viables à tes yeux saints, au nom de Jésus. Nous prions, Seigneur, merci, car Seigneur, nous avons prié. Nous prions que, Seigneur, que ta grâce soit sur nous. Ta grâce soit sur nous au nom de Jésus et continue à nous guider et qu'on reste saint et pur jusqu'à la fin. Saint et pur jusqu'à la fin. Quand tu viendras, tu nous verras comme des, pieux et fidèles servants. Merci parce que tu nous as exaucés. Au nom prêche de Jésus, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse. Si plaît à Dieu, on se verra la semaine prochaine. Merci que le Seigneur bénisse. Amen. Soyez bénis.